le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio Studio Kalangou, il est 18h15 Bonsoir à tous. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilabiri, Arlette, Filengue et Niamey. À la une de ce forum du mercredi 22 juin 2016, notre concert Nathalie euh, Prévost, correspondante de TV5 Monde au Niger, n'est plus autorisé à couvrir l'actualité au Niger pour TV5. Dans une lettre en date d'hier, la ministre de la Communication dit lui avoir retiré son autorisation de tournage. Raison évoquée, non-respect des textes de la presse en vigueur au Niger. Le président de la maison de la presse marque son indignation. L'USN proteste contre la revue en baisse de l'aide sociale octroyée aux étudiants des universités par le ministère de l'Enseignement supérieur. Elle lance même à partir de demain un moratoire de grève de 72 heures pour se faire entendre. Vous suivrez les explications du comité directeur de l'USN et celles du ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Ben Omar. À suivre également le président du Conseil des éleveurs nord tilabéry selon lui, la calmie règne le long de la frontière nigéro-malienne dans les zones où tous les acteurs ont accepté de s'accorder sur une bonne gestion des ressources naturelles. Ailleurs, par contre, le vol de bétail et autres assassinats continuent. Ces accords de réconciliation ont été conclus le 13 mai dernier à Tilabéry. Oui, la journaliste française et correspondante de TV5 Monde au Niger, Nathalie Prévost, n'est plus autorisée à couvrir l'actualité du Niger pour cette chaîne francophone. C'est ce qu'annonce la ministre de la Communication dans une lettre qu'elle a adressée à Nathalie qui lui retire son autorisation de tournage. Ce courrier évoque un non-respect des textes régissant la presse, notamment l'ordonnance du 4 juin 2010, sans plus de précision. Le ministère n'était pas génial. ce matin pour plus d'explications, mais pour le président de la Maison de la Presse, cette décision vise à intimider la presse nationale et internationale. Baba Alpha au micro de notre reporter Habib Garba. C'est une décision attentatoire aux libertés individuelles et collectives tout court. C'est une décision attentatoire à la liberté de la presse dans notre pays. C'est une décision scélérate et qui prouve à suffisance les dérives autoritaires dans lesquelles se sont désormais inscrits les princes qui sont aux commandes du Niger depuis quelques mois. C'est une décision qui prouve à suffisance que désormais, les princes qui nous gouvernent sont des véritables prédateurs de la liberté de la presse. Ils ont décidé de clouer le bec à tout le monde, d'intimider tout le monde, de museler tout le monde, d'empêcher tout simplement à la presse de faire véritablement son travail sur le Niger, que ce soit la presse nationale ou la presse internationale. Aujourd'hui, faute d'avoir les moyens d'emprisonner Nathalie Prévost ici au Niger, on lui interdit de couvrir l'actualité nigérienne au nom de son organe, à savoir TV5. Euh, au niveau de la maison de la presse, nous ne sommes pas surpris par cette décision parce que nous avons compris que les autorités de la Septième République ont décidé de mettre entre parenthèses tous les principes fondamentaux qui garantissent le droit du citoyen à l'information, le droit des journalistes d'aller à la recherche de l'information et de la porter au peuple nigérien. Et c'est là où nous sommes scandalisés et profondément ulcérés par ses agissements aux antipodes des règles démocratiques des autorités de la Septième République et nous estimons que l'ensemble de la corporation va se mobiliser pour préserver et sauvegarder les acquis arrachés des hautes luttes de la liberté de la presse. Parce que désormais, il est clair, les autorités de Niamey ne font plus mystère de leur volonté d'imposer une pensée unique à la presse indépendante nigérienne. Ils l'ont réussi sur les médias publics, ils veulent réussir sur l'ensemble des médias privés et nous ne pouvons pas rester les bras croisés, les laisser faire. Une liberté dont ils ont joui à l'époque qu'ils veulent aujourd'hui détruire. De quoi est accusée Nathalie pour euh, son accréditation Nathalie Prévost est accusée par les autorités de Niamey d'avoir écrit un article dans le monde sur euh, la dernière attaque de la secte terroriste Boko Haram à Bosso. Pour les autorités de Niamey, l'article de Nathalie Prévost était un pamphlet contre les forces de défense et de sécurité. Alors, déjà, rappelez-vous, quand elle avait écrit cet article, elle a fait l'objet d'un lynchage insultant, inacceptable et inadmissible sur les réseaux sociaux. Les mêmes individus qui se cachent derrière des profils sur les réseaux sociaux se sont versés sur Facebook pour la traiter de tous les noms d'oiseaux, ce qui est totalement incompréhensible. Elle n'a fait que son travail de journaliste. Si on reproche des choses à son article, il est très simple d'exercer un droit de réponse ou d'apporter des éléments de réponse ou d'éclaircissement par rapport à son article. Mais on n'a pas besoin de s'acharner contre Nathalie Prévost parce qu'elle a fait son travail, parce qu'elle a écrit un article qui du reste fait paraître beaucoup de vérités à notre sens. Y a-t-il pas d'hierarchie à respecter avant de prendre cette décision, genre à viser CSC C'est clair, c'est une évidence. L'organe de régulation des médias au Niger, l'organe de régulation de l'information au Niger, c'est le Conseil supérieur de la communication. Mais vous voyez que la ministre de la communication est passée outre ces principes, ces procédures, pour aller directement signer un arrêté laconique. Parce que même la ministre je crois qu'elle n'a pas eu le temps de lire sa décision parce que c'est vraiment ridicule de la part d'un ministre en charge de la communication d'écrire une telle décision en se référant uniquement aux dispositions générales de la loi 2010-35 du 4 juin 2010. Rien de plus. Au motif, on cite la loi, non-respect de la loi. Mais quelle disposition de la loi elle est aujourd'hui incapable de dire aux Nigériens quelle disposition de la loi Nathalie Prévost a violer. Donc vous voyez, c'est vraiment ridicule. Ils doivent faire preuve de responsabilité. Ils doivent comprendre que la liberté d'informer et la liberté de s'informer sont des principes incontournables dans un contexte démocratique. C'est au nom de cette liberté qu'il exerce le pouvoir de l'État et c'est au nom de cette liberté que le citoyen nigérien a droit à l'information, que le journaliste a le devoir d'informer le citoyen. Voilà l'indignation du président de la maison de la presse, Baba Alpha, relativement à la décision de la ministre de la Communication de retirer à la correspondante de TV5 Monde, Nathalie Prévost, son autorisation de tournage. Raison évoquée, non-respect des textes régissant la presse au Niger. L'Union des scolaires du Niger affirme que l'aide sociale octroyée aux étudiants non boursiers a été revue à la baisse. Selon l'USN, cette décision euh, émane du ministre de, l'Enseignement supérieur qui a affirmé qu'il n'y a pas de fonds suffisants pour payer les aides sociales à la même hauteur de 150 000 francs CFA par étudiant. Ousse Sambou, secrétaire général du comité directeur de l'USN, s'explique au micro de notre reporter Habib Garba. Ces acquis que M. Ben veut remettre en cause sont relatifs à ce que nous appelons chez nous aide sociale. Cette aide sociale qui est donnée eh, par l'État du Niger à chaque étudiant nigérien et eh, inscrit dans les universités d'État. Ce monsieur qui a été nommé récemment considère qu'il va amener des réformes d'une manière civile et spontanée. Ce qu'il a amené aujourd'hui à nous communiquer ce soir, que l'aide sociale qui est donnée par l'État du Niger à chaque étudiant règlement inscrit et de 150 000 francs, le mollet l'a réduire à 130 000. Le monsieur considère que d'abord, dans le pays, il n'y a pas de ressources nécessaires pour payer nos militants. Et deuxièmement, ces messieurs pensent qu'ils peuvent amener les changements relatifs à ce qui est du comportement antérieur que les autres ont fait. Parce que je, vais vous rappeler que ce ministre n'a pas des mois de fonction. Comment il a pu comprendre le fonctionnement de ce ministère pour amener ces gens de changement d'art Donc nous vous avons appelé pour leur dire qu'on ne va pas se laisser faire et que nous avons engagé toute l'élite qu'il faut pour que ce monsieur puisse comprendre et qu'à travers lui, le gouvernement nigérien puisse comprendre que nécessairement, si dans le pays ça ne va pas, ce pas chez l'étudiant ou bien chez les scolaires que ça va tomber. D'ici là, nous, nous avons fait ce point de presse pour informer l'autorité politique au plus haut sommet que l'Union des scolaires nigériens va prendre toutes ses responsabilités par rapport à ces acquis que nous avons eu de votre lutte. Nous avons nous battre contre bon et marée s'il le faut pour que nos camarades puissent être mis de leurs droits dès le jour à venir dans un bref délai. Et nous avons usé de tous les moyens qui sont à notre position. Je pas de moyens légaux pour nous faire respecter et pour imposer à ces messieurs que le temps est révolu, qu'ils pensaient qu'ils peuvent venir imposer sa dictature ou bien sa vision au niveau des l'Union scolaires nigériens. Nos militants et les étudiants et scolaires partout, ils se trouvent au Niger. Nous les appelons d'être sereins et d'attendre dans les prochains jours le mot d'ordre du comité directeur au niveau national et au niveau international pour faire échec à cette tentative dilatoire de ce monsieur parce que nous, nous n'avons pas de laisser faire et on va se battre pour que dans les prochains jours, cette aide sociale puisse être maintenue dans le même prix qu'elle a été payée et que ces critères qu'il veut imposer aux gens ne puissent pas être exécutés. Hussein Sambo, secrétaire général du comité des directeurs de l'USN, qui affirme que l'aide sociale octroyée aux étudiants non boursiers a été revue à la baisse par le ministère de l'Enseignement supérieur. Notre correspondant dans la région de Tiraviri a pu recueillir la version du ministre de l'Enseignement supérieur en visite ce matin euh, à l'université de Tiraviri. Monsieur Ben, selon Monsieur Ben Omar, l'enveloppe allouée à l'aide sociale n'a jamais connu de baisse. Cependant, les critères d'attribution vont, être plus stricts. Le ministre Mohamed Ben Omar au micro de Issa Karim. Bon, je ne sais pas qui vous donne cette explication, qui vous dit qu'il y a une diminution. Je sais qu'il y a une enveloppe de 1,5 milliard millions que l'État donne comme aide sociale. Maintenant, l'ANAB, qui est l'organe euh, censé gérer cette enveloppe-là, en train de voir quels sont les critères à même de permettre de, sélectionner au maximum des étudiants nigériens non boursiers, mais qui sont dans les conditions de demander l'aide sociale parce que l'aide sociale, vous avez des policiers inscrits à l'université Niamey qui demandent l'aide sociale, des civicards qui demandent l'aide sociale, des gendarmes qui demandent l'aide sociale. Or, un des critères clairement défini dans le décret qui porte l'aide sociale, c'est qu'il ne faut bénéficier d'aucun revenu. L'aide sociale doit, justement, c'est une aide sociale pour études, vraiment le cas des enfants nigériens régulièrement inscrits dans une université qui composent durant toute l'année et qui sont dans le besoin pour joindre juste les deux bouts. Et ça a été calculé sur la base d'un certain nombre de, paramètres et on la donne. Maintenant, la NAP va bientôt sortir ses textes pour nous dire qui et qui sont en bénéficiaire le ministre de l'Enseignement supérieur, Mohamed Ben Omar, euh, infirmant euh, les propos des étudiants de le propos de l'USN selon, selon selon lequel euh, l'aide sociale octroyée aux étudiants non boursiers a été revue à la baisse. Le licenciement de 19 médecins nouvellement intégrés à la fonction publique continue de faire couler beaucoup de salive. Ce licenciement fait suite à un arrêté du ministère de la fonction publique en date du 9 mai dernier. Le SYNFAMED, le syndicat des médecins chirurgiens et dentistes du Niger, avait, à la suite d'une déclaration qu'il a rendue publique samedi dernier, donné un ultimatum de 48 heures au ministère de la Santé publique. Face au silence du ministère de la Santé publique, le SYNFAMED a tenu ce matin une assemblée générale à l'hôpital national. Écoutons euh, le secrétaire général du saint docteur Dr Maman Sani. Il fait la genèse du problème. À l'expiration de cet ultimatum, hier, en principe, pratiquement rien de concret n'a filtré. C'est vrai, nous avions été appelés le lundi, n'est-ce pas, suite au défaut de l'ultimatum, pour effectivement discuter, n'est-ce pas, véritablement de cette question. Mais euh, j'avoue j'avoue qu'après les discussions, rien, rien, rien n'a filtré. Je pense qu'il sera important peut-être de faire la genèse quest ce qui a effectivement entraîné le licenciement de ses camarades pour qu'évidemment tout le monde soit, euh, n'est-ce pas, au même niveau d'information et que chacun fasse sa propre analyse de la situation, voir si réellement nos camarades, nos collègues, nos confrères ont raison ou tort, comme le consent effectivement le ministère de la Santé publique. Et il vous souviendra que euh, l'année passée, il y avait eu un recrutement de 130 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Un recrutement que tout le monde connaît, il a été dystocique qui a fait couler beaucoup de salive et même d'encre, parce que c'était un recrutement qui a été au début taché d'irrégularité. Le syndicat s'est battu avec tous les camarades pour que effectivement puisse redresser cette situation. Après ce recrutement, 130 euh, camarades ont été recrutés, comme je l'avais dit. Ils ont été affectés tous dans la région. Mais il s'était avéré parmi ces 130 camarades, il y a une trentaine qui étaient en formation, notamment qui font la formation de spécialisation en médecine. Certains font chirurgie, certains, en fait, certains sont au Niger, d'autres sont même à l'extérieur. Et il faut avouer que parmi ces médecins, dans en fait, beaucoup sont presque à leur dernière année de spécialisation, certains en quatrième, d'autres en cinquième, certains en troisième année pour des formations de 4 ans ou 5 ans. Alors, à son temps, à l'époque, c'était le ministre Mano Agali qui était ministre de la Santé publique. Il y avait eu une démarche, démarche allant dans le sens de faire un plaidoyer, vu n'est-ce pas, le besoin crucial, nest pas, du pays en médecins spécialistes. Il y avait eu un plaidoyer à travers, effectivement, certains enseignants-chercheurs, notamment l'administration décalant de la faculté des sciences de la santé et même le saint on a fait un plaidoyer auprès du ministre de la Santé publique d'antan pour qu'on laisse ces gens continuer, finir leur études après regagner leur poste. C'est vrai, c'est une décision à son temps. Lui, il a manifesté sa bonne volonté, effectivement, parce que de toutes les façons, c'est le pays qui va bénéficier effectivement de ces médecins quand ils vont finir leur formation. Ils seront peut-être plus utiles en étant, en finissant leur spécialisation que d'abandonner une spécialisation à un an ou à deux ans de la fin de ces spécialisations. Le ministre, c'est vrai, la décision l'a levé dépassée. On était parti jusqu'à voir le premier ministre pour cette question. C'est vrai, il y avait eu un certain nombre de choses. Ils ont fait signer les gens un certain nombre d'engagements que voilà, les gens vont regagner leur poste dans l'immédiat. C'est peut-être cet argument que les gens effectivement se basent pour faire le chantage aux uns et aux autres. Au départ du ministre Mano Agali du ministère de la Santé, il n'y avait pas eu une décision définitive par rapport effectivement à ses camarades qui sont en formation. En principe, une administration, quand il y a une situation qui est comme ça en suspens, vous avez recruté des gens, vous, avez, vous les avez affectés ils ont manifesté le vœu euh, qu'on les laisse continuer ou finir leur spécialisation. Vous les avez reçus, vous avez commencé à discuter. En principe, la conclusion doit leur parvenir. La conclusion, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas une conclusion. Soit le médecin là continue leur formation, soit il regagne leur poste le ministre Manou Agadi était parti comme ça. Et au moment du vide institutionnel qui a caractérisé le ministère de la Santé, je voulais dire au moment des élections, vous, tout le monde connaît qu'il n'y avait pas eu pratiquement des ministres, la question était laissée en suspense. Il a fallu l'arrivée de ce nouveau ministre, le ministre actuel de la Santé publique, pour que la question ressurgisse. Et elle a ressurgi comment nous, personnellement, en tant que bureau exécutif du saint nous avons été avisés officiellement par le ministre le 28 avril 2016 sur cette question. Le ministre nous a appelés pour nous dire, voilà, des médecins ont été recrutés, ils ont été affectés à l'intérieur du pays et ils ne sont pas partis. Ces gens-là ont la protection du syndicat. On avait retroqué. Non, les syndicats ne pouvaient pas protéger ce genre de situation. On leur avait dit, c'est un plaidoyer. Et ce n'est pas seulement les saint c'est en collaboration avec certains enseignants-chercheurs qui étaient en même temps conseillers du ministre, l'administration décanale de la faculté des sciences de la santé. Et on a argumenté, on a prouvé l'intérêt effectivement de ces camarades, en tout cas même en étant en formation, comme vous voyez dans toutes pratiquement nos structures sanitaires de référence, c'est e s qui tiennent ces formations sanitaires. C'est l'argumentaire qu'on avait avancé à son temps à Manu Agali. Et il avait compris. Il a manifesté sa volonté, en tout cas, de vouloir faire un plaidoyer à son niveau parce qu'il dit que c'était une complicité gouvernementale. La décision ne devait pas évidemment venir de lui-même. Il a fait, mais le ministre a dit, bon voilà, euh, on lui avait dit le 28 avril, comme je l'avais dit, est-ce qu'il y a eu un communiqué officiel qui demandait à ses camarades de regagner leur poste et ils ne l'ont pas fait Alors, c'est à cet instant que nous nous sommes quittés avec le ministre. Et voilà la phrase du ministre. Il dit l'important, c'est pas de sanctionner les gens, mais que les gens se regagnent leur poste. On a dit c'est une très bonne idée. De toutes les façons, maintenant, ce qu'il faut faire, nous estimons que le ministère de la Santé, c'est une administration qui est là, il doit faire les choses de la manière administrative, de manière légale. Il faut le communiquer. Maintenant, lui qui ne rejoint pas, alors on peut les sanctionner. Et voyez-vous, le 28 avril, voilà le communiqué qu'ils ont rendu public le 28 avril 2016. J'ai voulu lis l'intitulé du communiqué. Communiqué, s'il vous plaît, voilà la lettre. Il dit néanmoins, le 28 avril 2016, numéro 0122, bar MSP, bar DGR, bar euh, DRH, bar DAP, communiqué radio-télévisé. Le ministre de la Santé publique invite le médecin, pharmacie et le médecin nouvellement intégré à la fonction publique pour le compte de son département ministériel et régulièrement affecté dans les différentes structures sanitaires du pays à rejoindre leur poste d'affectation au plus tard le 5 mai 2016. Je dis bien le 5 mai 2016 faute de quoi ils s'exposent aux sanctions réglementaires prévues par le statut général de la fonction publique de l'État. Il s'agit, ils ont cité effectivement 19 camarades, et ça a été signé. Voilà la signature. C'est écrit Kalamotari. Je pense que ça n'a pas été signé par le secrétaire général du Saint-Famet. Donc, ils ont rendu public ces communiqués. Et j'avoue que après ces communiqués, beaucoup de camarades, en tout cas pour la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, ils ont regagné leur poste. Au plus tard, le 5, comme ça a été dit. Et de manière subite, nous apprenons et le 9 mai, n'est-ce pas, un arrêté du ministère de la fonction publique sort et il licencie tous ces camarades-là, même ceux qui sont à leur poste au plus tard le 5. Et on a dit, voilà l'arrêté, qu'est-ce qu'il dit Arrêté numéro 0388 MFP RA DDC du 9 mai 2016 portant licenciement de certains agents de l'État en service au ministère de la Santé publique. Je vous fais cadeau de tous les visas qui comportent effectivement cet arrêté, mais à un visa important qui compte, le dernier, où on a vu la lettre numéro 4427, barre MSP, barre DGR, barre DRH du 27 avril 2016. Vous conviendrez avec moi, cette lettre, elle fait, la référence, elle fait référence à la saisine faite par le ministère de la Santé publique au ministère de la Fonction publique de licencier ses 19 camarades. Et vous allez comprendre que, vous allez, si vous lisez bien, la lettre a été écrite le 27, le 27 avril. Pourtant, le communiqué, là, il a été fait le 28 avril. Donc, la lettre, déjà, elle est antérieure au communiqué. Déjà, le ministre nous a, nous a reçu le 28. Depuis, alors, il a déjà écrit la veille au ministère de la fonction publique pour sanctionner ses camarades. Le secrétaire général adjoint du syndicat des médecins chirurgiens et dentistes du Niger sur le, licenciement le 9 mai dernier de 19 médecins nouvellement intégrés à la fonction publique. Une autre analyse sur ce licenciement, celle de l'ancien secrétaire général du Famed, Dr Ilyas Menassara, qui pense que la procédure du licenciement n'a pas été respectée, d'autant plus qu'elle ne concerne pas tous ceux qui sont dans la même situation. Je vous propose de le suivre. La situation donc qui fait suite au licenciement de 19 euh, médecins est une situation, je dirais, dont les responsabilités sont partagées. D'abord, euh, il y a l'erreur de, de gouvernement ou je dirais euh, du ministère en charge de la santé qui, si vous avez bien suivi l'exposé du secrétaire général du CINFAMED, a fait un communiqué en date du 28 avril 2016 demandant à tous les médecins et nouvellement et euh, recrutés et affectés de qu'ils doivent rejoindre leur service au plus tard le 5 mai contre euh, toute attente, voilà que ces mêmes médecins soient licenciés le 27 avril. Donc, euh, vous voyez, donc là, il y a un vice de procédure et un vice de forme. Et tu ne peux pas demander à des agents de l'État qui ont été recrutés, qui ont été mis à la solde, tu peux pas leur donner un ultimatum et avant cet ultimatum, tu exécutes. C'est vrai, ces médecins, et ils ont commis des erreurs. logiquement, toute personne qui a été recrutée et mise en solde et doit être régulièrement sur le poste depuis le jour où elle a été affectée. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas régulièrement donc à leur poste Oui, ils n'étaient pas régulièrement à leur poste. C'est pour ça que je vous dis que les responsabilités sont partagées. Il y a la faute de ces médecins, également il y a la faute du gouvernement. Et la faute de ce médecin, c'est d'avoir en tout cas refusé de regagner leur premier poste d'affectation alors qu'elles sont payées régulièrement, même si par ailleurs elles sont en formation. Et de l'autre côté, le ministère qui a rendu un communiqué le, le 28 avril les intimants un délai jusqu'au 5 mai, mais malheureusement, il est licencié le 27 avril. Donc vous voyez, il y a un vice de procédure, un vice de forme. Si les choses se sont passées normalement, moi je pense qu'on n'a jamais soutenu, moi quand même j'étais au commandes du saint Saint-Famed, on n'a jamais accepté qu'un médecin puisse être recruté et qu'il refuse de regagner son poste. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est une question eh, de vice de procédure, puisque le ministère lui-même a pris l'engagement de les accepter à partir du moment où ils regagnent leur poste au plus tard le 5 mai. Mais pourquoi encore licencier ces agents La plupart qui ont été licenciés sont à euh, leur dernière année de formation. Et tout le monde est conscient que ce pays a besoin des médecins spécialistes. Il n'y a pas de médecins spécialistes. Quand vous prenez pour un pays de plus de 17 millions d'habitants, pratiquement toutes les spécialités, vous avez plus de 80% des spécialités qui n'ont pas de médecins spécialistes. Pour vous dire que c'est un un véritable problème. Si le gouvernement doit revenir à sa décision et s'asseoir avec le mai pour discuter. Ceux qui ont répondu au 5 mai ou avant le 5 mai, qu'ils soient réintégrés. Ceux qui n'ont pas répondu, qu'ils puissent être licenciés. Parce que je crois, parmi les 19, il y a ceux qui ont repris avant la date indiquée, mais je crois qu'ils doivent être réintégrés dans leur corps. Mais ceux qui n'ont pas repris là, ils sont licenciés. C'est tout à fait normal qu'il ait quand même un respect du statut général de la fonction publique. Le statut général stipule à ces articles que tout agent de l'État est soumis à ce statut général de la fonction publique. À partir moment où tu es recruté et tu es mis à la solde, tu es soumis, tu dois respecter ce statut général. Pensez-vous que le ministre de la Santé est, quand même animé d'une quelconque mauvaise foi Bon, pour le moment, je crois que c'est le début de le problème et que je crois que le ministre va revenir à des meilleurs sentiments. Parce que s'il y a une erreur technique, ce n'est que ces services techniques qui ont commis cette erreur. Si lui, le ministre peut-être, n'a pas très bien euh, assumé ou compris les enjeux, ou bien n'a pas compris le mécanisme de gestion de cette situation jusqu'à aller au stade ultime, le licenciement sans passer par la procédure. Moi, je ne condamne pas en fait euh, le, fait que un agent qui est recruté et qui est payé ne rejoint pas et qu'il est licencié. Non, je condamne la procédure. La procédure n'a pas été respectée. Il faut respecter la procédure comme ça doit se faire selon même le statut de la fonction publique. Et contre toute attente, toi qui dis quand la personne rejoint volé le 5, c'est fini, elle reprend son poste. Et ils auraient dû au moins avoir même les rapports des directeurs régionales de la santé publique qui sont à l'intérieur, chez qui ces médecins ont été affectés, ou les directeurs nationaux des hôpitaux des régionaux, chez qui ces médecins ont été affectés. Ils doivent quand même avoir le rapport. Il n'y a pas eu de rapport. La liste a été envoyée de 19. Comme le communiqué euh, qui a cité la liste de 19, cette liste a été envoyé et avant même la date limite du délai fixé par le ministère de la Santé pour que ces gens soient licenciés. Vous voyez donc qu'il y a un vice de forme par rapport à cette euh, situation. Docteur Iliassou, merci. L'analyse de Docteur Iliassou Menassara, ancien secrétaire général du SYMFAMED, sur le licenciement de 19 médecins nouvellement intégrés à la fonction publique. Retenez aussi que notre reporter, Kenda Moriam Diallo, qui a recueilli tous ces propos, a rencontré les autorités du ministère de la Santé publique qui n'ont pas voulu réagir. « 18h41 au studio Kalangou, le long de la frontière nigéro-malienne, une accalmie règne dans les zones où tous les acteurs ont accepté de s'accorder sur une bonne gestion des ressources naturelles, mais ailleurs, le vol de bétail et autres assassinats continuent. C'est ainsi que Boubacar Diallo, le président du Conseil des éleveurs nord tilabé résume le bilan des accords de réconciliation conclus le 13 mai dernier à Tilabéry. Accord conclu entre la communauté Touareg d'Aoussouk et les Peuls de la zone du nord Tilabéry qui cohabitent dans le secteur. Les représentants avaient promis de passer le message de la paix dans leur communauté. Boubacar Diallo nous explique la réalité du terrain le long de la frontière nigéro-malienne. Si on fait le bilan, après un mois, et vraiment dans la zone de Ansongo, et Talatei, le long de notre frontière, qui est là du côté du Niger, la partie en tout cas qui, les deux qui, qui, font face, vraiment il y a accalmie. Depuis cet accord, il y a pas, on n'a pas entendu un seul coup de feu et on n'a pas entendu là où eh, un mouton, une chèvre a été enlevée. Donc on peut dire que et vraiment, ça, ça, a été respecté. Mais malheureusement, malheureusement, le long de la frontière, dans le, quand on prend le, du côté de, la zone de Abala, qui fait frontière avec euh, Inchinanan, d'abord, dans le mois de, mai, on a vraiment eu, à resserrer plusieurs séries d'attaques avec mort d'hommes. Parce qu'il y a eu deux peuls Bororo et, de Abala qui ont été tués, dans le vers le 20, le 24. Hein. Et puis, il y a eu encore un Daosak aussi qui a été tué le message doit être en tout cas vulgarisé. Malheureusement, on a vu que, en tout cas du côté de la commune de Adramboukar, cercle de, de Meneka, jusqu'à qu'il remonte vers Inchinanan, côté Abala, sincèrement, la situation est, difficile. Donc c'est du fait de ceux qui n'avaient pas signé avec vous Bon, on pense, on pense, bon, malheureusement, vous savez, l'accord, au fait, c'est sous la gestion rationnelle des ressources naturelles, donc le, le, le pâturage, le, point de autres. C'est-à-dire la question sécuritaire même, on l'a pas en tout cas et, on pas dit. On pensait que quand les formations vont passer, les gens allaient puisque c'est sur le territoire malien que bon au moins. Mais, qui devait vulgariser l'information En tout cas, c'est tous les participants, ceux qui étaient là. C'était en tout cas le, message qui a été en tout cas euh, donné. Mais il se trouvait que de l'autre côté, comme je vous disais, le jour où c'est qui a fait que les éléments, les gens de Ménaka n'étaient pas à la rencontre, parce que c'était les groupes armés qui les ont empêchés de venir à la rencontre. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de, les groupes armés qui ne sont pas d'accord avec ce, genre de rencontres que les populations font, parce que ça c'était une, expérience qu'on avait voulu faire euh, en sorte que les populations gèrent leurs problèmes. Vous avez parlé d'accalmie dans un certain, dans un certain nombre de localités. Mm. Pour le reste euh, des autres localités qui ont été attaquées, comment se présente la situation actuellement Et je vous avoue que la situation est très difficile. Parce que après la mort des deux Bororo nigériens et puis du machin, eh, il y a, tout récemment, vous avez vu dans la zone d'Abala, je il y a eu un, douanier qui a été euh, assassiné. Et dans la zone de Bani Bangou, il y a eu des enlèvements de voitures et donc un véhicule euh, d'un projet qui est en train de, de, de, creuser, de faire un, forage. Ils, ont, ils sont partis avec le véhicule. Il y a des motos qui sont enlevées. Donc vraiment, la situation n'est pas stable. En toute sincérité, il ne faut pas quand même construire le cache la situation elle est là, est très difficile. Il y a des vols de bétail, des animaux, des, motos qui sont prises, des véhicules. vous avez vu, et puis des assassinats. Sincèrement, la situation elle est très très difficile. Que ce soit du côté du Niger, le long de la frontière, et du côté du Mali, la situation elle est là, elle est très difficile. Il n'y a que la calmie qu'on retrouve dans la zone de Ansongo. Ça, il faut le dire de Ansongo, jusque dans le Gourma, et dans le, cercle de Ansongo, euh, qui fait frontière avec Inates, chez nous. Vraiment, il y a la calme. Les autorités sont au courant, euh, les autres acteurs sont informés. Est-ce que vous vous êtes euh, appelé pour euh, vouloir discuter peut-être Et sur ce plan, je crois que ça va être très difficile parce que HD, c'est une ONG qui ne cherche qu'à créer les conditions entre les communautés. Et là, le vrai problème qu'on est en train d'observer sur le terrain, c'est les groupes armés. Or, la question des groupes armés, il n'y a que l'État qui peut y mettre fin. Donc voilà pourquoi nous, la dernière fois, on a eu une, une rencontre avec le ministre de la Défense où vraiment nous avons suggéré d'aller dans le sens du dialogue, avec les éléments en tout cas qui sont sur le terrain. Donc on a fait cette proposition et nous on est là-dessus. Et on pense qu'on peut tenter une expérience, on peut donner une chance au processus, à la paix. Parce que ça ne sert à rien de dire il faut faire la guerre, la guerre, il faut au moins se donner un temps pour la paix. Pour ceux qui acceptent de revenir à la raison, il faut leur donner cette chance. Et nous, nous avons fait cette proposition. Et qui sont ces gens ah, les gens, c'est c'est les éléments qui sont sur le terrain, les jeunes qui ont les armes en main, qui ont les armes, qui sont là, qui ne sont pas contrôlés par les communautés, qui sont contrôlés par d'autres forces. Aujourd'hui, qui connaît le Mali c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est des groupes armés qui sont là, soit qui sont contrôlés par les djihadistes, qui sont contrôlés par les narcotrafiquants, qui sont contrôlés par les, autorités eux-mêmes, parce que l'État a créé des groupes d'autodéfense par, par là. Donc, tous ces gens-là, ils ont leur répondant. Donc je crois que, et chez nous, nos jeunes qui sont là, qui combattent au Mali, quoi que, euh, avec le dialogue, on peut créer les conditions pour que ceux qui veulent revenir, ceux qui veulent quitter ces groupes armés, au moins qu'on arrive à pacifier notre territoire. Donc on a fait cette proposition et nous attendons la réponse en tout cas du premier ressort du ministre de la Défense. Qu'est-ce qu'il a dit Bon, vraiment il est d'accord sur le principe. Maintenant on attend depuis la rencontre, on ne nous a rien dit. Et, s'ils vont être d'accord, il dit qu'il va faire le feedback au, au premier ministre à qui de droit. Donc nous nous attendons. Si vraiment nous sommes sollicités, c'est tout ce que nous nous pouvons faire. Et je suis convaincu que on peut avoir un résultat. La preuve, même cette petite rencontre qu'on a eue, il y a eu un résultat. Le grand problème, c'est le Mali où les groupes armés ne sont pas contrôlés. Mais on vient aussi d'apprendre qu'il y a un nouveau mouvement de rébellion qui est né au Mali. Est-ce que vous en savez quelque chose Vous savez, le mal, c'est que dans nos États, eh, on refuse de regarder dans le rétroviseur. Vous avez déjà, c'est toujours l'expérience, quand vous vous rappelez dans les années 90, il y a eu des rébellions au Mali, ça a affecté au Niger malheureusement, ça a contaminé. Quand vous prenez le cas du Niger actuellement, tout est parti du Nigeria. C'est les mêmes frontières, c'est les mêmes familles. Et vous avez vu ça basculer du Nigeria, c'est le Niger, le Tchad, le Cameroun, puisque c'est les mêmes communautés, c'est les mêmes familles qui vivent. Donc dès qu'il y a un problème, il faut essayer à l'interne voir si les communautés qui sont chez vous est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que les autres qui sont en train de se battre Malheureusement, les gens, ont refusé de regarder dans le rétroviseur, on laisse faire jusqu'à ce que ça se Aujourd'hui, Ça veut dire que vous êtes inquiet Vraiment, je suis inquiet. Je suis sincèrement inquiet. Ce n'est pas loin du Niger, c'est la frontière, c'est les mêmes communautés. Vous avez des communautés nomades qui circulent, les animaux qui vont et viennent. C'est des nomades, c'est des transhumants. C'est les mêmes familles. Aujourd'hui, les peules que vous retrouvez ici, c'est les mêmes qui sont de l'autre. Les toilettes que vous retrouvez chez nous, c'est eux qui sont au Mali. Donc, c'est ce qui veut dire que le mouvement, dès que le, Front de libération du Massina est né, nous, on avait pensé qu'au Niger, moins que nos, comment appelle nos universitaires, l'État, les gens vont faire des réflexions pour voir si ça ne va pas affecter chez nous. Parce que c'est les mêmes problèmes. Donc, ce qui, si le Mali est malade de cette communauté, c'est que ça risque d'affecter le Niger, parce que c'est les mêmes communautés. Voilà, Boubacar Diallo, le président du Conseil des éleveurs nord il euh, appréciant le long, euh, la sécurité le long de la frontière nigéro-malienne. Une accalmie, dit-il, règne dans les zones où tous les acteurs ont accepté de s'accorder euh, sur une bonne gestion des ressources naturelles, mais ailleurs, le vol de bétail et autres assassinats continuent. Pour les migrations, pour clore euh, ce forum, un nombre important de migrants nigériens, nigériens rapatriés de l'Algérie sont assistés par l'Organisation internationale pour la migration à Agadez depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Une mission de la CEDAO, de l'Union africaine, de l'OIM Genève, en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, en mission dans la région d'Agadez, visitera demain ce centre de transit. Alors, comment l'OIM Agadez gère ces migrants nigériens rapatriés de l'Algérie C'est entre autres questions posées au directeur de l'OIM Agadez, Azawa Maman, était joint au téléphone par Moussa Maman. Les migrants euh, retournés d'Algérie rentrent dans les mêmes mandats que nous portons assistance à tous les migrants. Donc c'est une composante comme tous les autres migrants. Il faut comprendre que euh, cette opération de rapatriement des migrants nigériens qui sont en Algérie a été voulue euh, par les deux gouvernements, à savoir le gouvernement algérien et le gouvernement euh, nigérien. Donc dans ce cadre, OIM a été sollicité pour apporter assistance conformément à notre mandat. Nous avons assisté et ce fruit de rapatriement depuis décembre, fin décembre 2014 euh, à aujourd'hui. Et combien de migrants que vous arrêtez par jour, ou bien par semaine, ou bien par mois, s'est retourné de, l'Algérie c'est retourné d'Algérie. Euh, aujourd'hui, nous avons assisté depuis le fin 2014 à aujourd'hui. Nous avons assisté 38 convois et qui ont en moyenne 300 euh, personnes par convoi. Donc, ce qui veut dire qu'au total, on a pu assister et aider les migrants à retourner dans leur communauté d'accueil. Et un nombre estimatif de plus de 13 000 migrants nigériens retournés d'Algérie en ce jour. Comment vous procédez à leur retour dans leur euh, village respectif eh bien, euh, Conformément à notre mandat, nous, nous apportons euh, assistance à à nourriture, à nous, en santé, en soins de santé, en soins psychosocial et puis le Sahara, c'est-à-dire au sortir sur la route euh, à Samaka, Arlit et jusqu'au centre de transit euh, à Garez, en tout cas, où au niveau du centre de transit à Garez, nous faisons euh, le profilage, l'assistance et puis les, retours volontairement de ces migrants et de leur communauté d'accueil. Et parfois, ces migrants-là restent à Agadez. Quelles dispositions l'OIM prennent pour... Il faut que les migrants lui-même nous demandons l'assistance au retour en famille et la prise en charge. C'est à ce moment-là que nous faisons le profilage à travers notre banque de données. Ce profilage-là nous permet de savoir si le migrant est vulnérable ou n'est pas vulnérable. Donc, dans les cas où il est vulnérable, on lui apporte assistance complète jusqu'au pays de retour. Et il faut euh, noter bien que nous avons trois centres de transit dans la région d'Agarès, un centre de transit à un centre de transit euh, au niveau de Drukou qui accueille les migrants au retour en détresse au niveau de ces deux localités que j'ai citées. Et au niveau de ces centres de transit, en on envoie ces migrants au niveau des centres de transit d'Agarès complètent l'assistance et les, envoient aussi au niveau de leurs villages respectifs. Si c'est des pays, si c'est des migrants de l'Afrique euh, de l'Ouest ou bien de l'Afrique, on les envoie au niveau du centres de transit de Miami qui les porte assistance et les envoie en collaboration avec les ambassades et le consulat de leur pays d'accueil. Donc euh, c'est pour tout à fait euh, un peu rebondir sur votre question pour vous dire qu'au OIM en tout cas a pour mandat de assistance et protection aux migrants en détresse, aux migrants vulnérables qui euh, ont échoué ou bien qui sont de retour pour chercher à rentrer dans leur pays. Et ils sont dans des possibilités de ne pas rentrer dans leur pays et nous, on les aide en collaboration avec en tout cas le gouvernement des pays d'accueil et le gouvernement des pays de transit pour euh, que cette migration soit une, migration positive, une migration régulière. Ils sont nombreux maintenant à Gadez, des femmes, des enfants. Maintenant, comment mhm. pensez-vous amener une assistance à ces gens-là Dans le cadre euh, de notre euh, travail, bien l'OIM en tout cas, dans le cadre d'une migration du développement, nous avons des projets d'intégration communautaire. Et dans ce cadre qui nous avons initié un projet projet d'intégration communautaire dans la région de Matamay à qui va dans le cadre d'intégrer ces populations de Kanchi dans leur territoire d'attache. Et aussi au niveau même de la région d'Agadez, nous avons euh, deux projets d'intégration communautaire à l'endroit des migrants en retour qui sont dans nos centres de transit, mais à l'endroit aussi des populations d'Agadez. Et je suis d'accord avec toi qui ceux qui sont dans la, la région d'Agadez, nous sommes en Niger, ils sont aussi des Nigériens, ils peuvent profiter de ces, de ces projets. Et ces deux projets sont, le premier projet, c'est le projet de fabrication de briques autobloquantes avec, euh, à l'aide des déchets plastiques et nous faisons en collaboration avec l'ONG Tel Solidarité pour former les migrants qui sont au centre de transit et les populations euh, d'Agadez qui sont dans la région d'Agadez. Aussi, un autre projet est la fabrication de bijoux. Donc, vous savez que la région d'Agadez était jadis une, une région qui prospérait grâce à l'activité du tourisme et de l'artisanat. Et dans ce contexte, contexte où a bien voulu aider ce secteur aujourd'hui qui l'attend en faisant une collaboration avec les associations des artisans et en leur demandant de former en bijouterie et les migrants qui sont au euh, niveau, de, notre centre de transit, mais aussi les potentiels migrants qui ont renoncé à la migration, mais aussi la population d'adresse. Voyez-vous, nous sommes en train de basculer dans le cadre d'une migration de développement qui profite à tous ces secteurs-là que j'ai cités précédemment. Et paraît-il, il y a un, couloir que ces ressortissants du Niger qui partent à, l'Algérie passent pour aller en Algérie. Donc ils contournent, euh, paraît-il, Arlit pour Assamaka. Parfois même, il y a des morts sur la route. Est-ce que vous connaissez ces, passages-là Bon, et conviendrez avec moi que nous sommes au Niger et la frontière nigérienne avec l'Algérie est très vaste et que nous savons qu'il y a beaucoup de voies qui traversent le Niger pour aller sur les frontières et donc les gens peuvent utiliser tous ces, voies pour partir à leur fin. Donc euh, voyez-vous, donc là n'est pas dans notre mandat de chercher à, éviter à auditer des gens. Et voilà, dans notre mandat, nous avons inauguré un bureau d'écoute d'ici qui a été inauguré il y a trois mois de cela. Ces bureaux d'écoute servent à orienter, à informer et à sensibiliser les migrants et pour une migration sûre et informée. Donc, voyez-vous, au niveau de ces bureaux d'écoute, nous avons recruté des mobilisateurs communautaires qui connaissent les, les migratoires, qui d'autres ont même l'expérience de la migration et maintenant c'est eux qui passent la vraie information, l'information sur aux, potentiels migrants, aux migrants au retour, et aussi d'orienter les migrants qui ont échoué au niveau de la région d'Agadez vers les centres de transit. Donc, voyez-vous, euh, nous donnons des informations fiables, des informations qui peuvent amener aujourd'hui à assurer une migration régulière, non pas une migration irrégulière. Voilà, vous venez de suivre le directeur de l'Organisation internationale pour la migration Agadez sur le centre de transit qui gère notamment les migrants nigériens rapatriés de l'Algérie. Azawa Maman, joint par notre reporter Moussa Maman. Ici s'achève le forum d'aujourd'hui. Pour l'essentiel, nous avons parlé de notre consoeur euh, Nathalie Prévost, euh, qui n'est plus euh, autorisée à couvrir l'actualité du Niger pour TV5 dans une lettre en tout cas en date d'hier, la ministre de la Communication dit lui avoir retiré son autorisation de tournage, raison évoquée non-respect des textes de la presse en vigueur. Et puis l'USN qui proteste contre la revue en baisse de l'aide sociale octroyée aux étudiants des universités par le ministère de l'Enseignement supérieur. Euh, un ministère qui dément, en tout cas le ministre Ben Omar dément, mais affirme que les critères d'attribution vont être plus stricts. L'USN qui lance un mot d'ordre de trois jours à compter de demain il compte ainsi euh, suspendre toutes les activités académiques, y compris les examens du BEPC. Outre le problème de l'aide sociale, il exige le paiement des allocations et des frais de scolarité. Voilà, euh, c'est ça l'essentiel. Nous nous retrouvons demain à la même heure et aux mêmes euh, fréquences. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.